Je pense qu'on avait une journée très chargée avec euh, deux matchs. Bon, c'était un challenge d'abord pour euh, réussir l'organisation parce qu'on avait remarqué que ces temps-ci, le public ne répondait pas beaucoup. Euh, c'est dit à beaucoup de facteurs, mais on a travaillé avec les, comités de supporters des quatre équipes et on a vu tout le monde que le public était là. On a assisté à de, bons, à de très bons matchs, que ce soit au niveau des filles et au niveau des garçons. Euh, j'en profite vraiment pour euh, féliciter euh, le comité d'organisation que avait mis en place, la Ligue de Dakar et l'ensemble des, équipes qui ont vraiment participé à cette fête. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Moi j'ai l'habitude de dire il ne faut jamais se surtout, évaluer, se féliciter. Mais je pense que on a beaucoup de choses à rectifier et Inch'Allah, on va y travailler pour les prochaines euh, sorties, ben, un bilan, un bilan très positif parce que vous avez vu le Dakar Université Club, euh, au début du championnat, euh, ils étaient n'étaient pas au top. Mais je pense qu'on a vu le Duc depuis le mois de, mois de, de mai, qui est revenu vraiment parmi les meilleurs du championnat. Louis Wakam aussi, qui a traversé une période difficile avec championnat. Euh, c'est une équipe très jeune, même s'il y a 2, 3, 4 cadres qui sont là, mais c'est des jeunes qui sont en apprentissage et je leur dis mes encouragements. Et Basket Club et l'Iceville de Dakar ont joué, je pense, 5 à 6 matchs. Bon, je pense que tout le monde a vu que euh, de Dakar est au-dessus, mais Guédiaway est une belle équipe qui promet un bel avenir. Maintenant, je pense qu'il va falloir euh, euh, revoir beaucoup de choses au niveau euh, des compétitions parce que c'est assez intense. Il y a beaucoup de blessés en fin de saison. Maintenant, il va falloir de l'autre côté aussi aller chercher des moyens parce que vous avez vu, nous, la Ligue de Dakar, on met beaucoup d'argent pour, pour organiser, mais on n'a qu'un seul partenaire, la mairie de Dakar. On se bat avec le ticketing pour, pour, faire cette belle fête, pour rendre le basket agréable, mais je pense que il est temps que les, sponsors euh, viennent au niveau des ligues, viennent au niveau du basketball pour euh, les aider pour euh, des lendemains meilleurs. On ne sait pas parce que moi, je, sais que maintenant le, sponsoring au Sénégal, c'est du, du mécénat. Baba Karnia, il connaît quelqu'un, Samagé, il connaît quelqu'un, c'est ça. Maintenant, nous, en fait, on fait beaucoup de, on fait, on fait, on fait beaucoup de démarches marketing. On va vers les sociétés. Maintenant, euh, je pense qu'il va falloir que l'État du Sénégal aide le basket, l'État du Sénégal aide le sport, parce qu'en fait, je sais que dans d'autres pays, c'est euh, les sociétés nationales qui, bousculent, qui mettent de l'argent. Et regardez maintenant, je pense que les sociétés, même les sociétés étatiques, ont peur parce qu'apparemment, il y a une circulaire euh, étatique qui leur interdise de faire quelque chose. Je pense qu'il est temps. je lance un appel aux autorités parce que le basket, le basket comme on l'avait dit, c'est une locomotive c'est beaucoup d'argent. Nous, on met beaucoup d'argent. Vous avez vu aujourd'hui ici, euh, minimum, on a employé minimum 150 personnes. Et l'argent qu'on reçoit de la mairie de Dakar, c'est une redistribution totale. Les jours qui viennent aujourd'hui, par exemple, pour une fois, on n'a pas sorti d'argent. Vous avez vu, on a donné juste des, euh, euh, des trophées individuels. On n'a pas donné d'argent parce que la subvention qu'on attendait avec la mairie de Dakar n'est pas encore arrivée. Donc, on n'a pas, laissé, on n'a pas, on pas dormi on s'est dit, on va mettre les moyens, on a mis les moyens. Euh, chaque mois, les gens ont sorti l'argent de leur poste. J'en profite pour, pour, vraiment remercier une personne, M. Aliou Sall, ancien maire de Guédiouaï, qui, je l'ai rencontré une, pour une première fois ici à Marichiaï. Mais hier, on l'a appelé au téléphone pour, pour lui exposer notre problème. Il a participé à cet événement. Je pense qu'on a besoin de ça. Et je profite encore pour lancer un appel. C'est vraiment un cri de cœur parce que euh, le basket n'est pas vivre comme ça. Je pense qu'il est temps que les autorités comprennent que le basket, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est pour la jeunesse. Moi, en fait, je pense qu'il va falloir euh, beaucoup d'études. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études. Je ne sais, pas par quel moyen. Je sais que je connais bien la, je connais la, la ministre du Sport, c'est une dame très tenace qui comprend les choses. J'ai eu la chance de bosser, de travailler avec elle euh, quand, j'étais, quand elle était inspectrice régionale des sports. Elle comprend les choses maintenant. C'est en haut c'est l'État qui doit mettre les moyens au niveau du ministère des Sports pour les aider. Parce qu'il faut de l'argent pour faire vivre le sport. Que ce soit au football, que ce soit au basket et les autres disciplines, on en a besoin. La final, bi parce que li a un problème problème temps passé moi que le public bi ñëwuloon trop mais je pense que nous avons nañ ci euh, équipe mais notre équipe parce que équipe parce que je suis euh, Wakam, euh, je sais que le maire de Wakam n'a pas lésiné sur les moyens. Euh, il a pris 1000 billets pour les pour les enfants pour ñëw assister finale bi donc loolu noonu je sais que yeneen équipe yi def nañ ko l'AS Ville de Dakar euh, daan nañ gën a mobiliser je sais je sais qu'il y a y a d'autres facteurs mais tey jii li ñu ci mën a wax rek que euh, basket bi dem na si Euh, j'en profite fàtte woon naa ko bi ñuy wax si profiter pour remercier le commissariat central parce que dañ ko au téléphone il hier mu organiser benn CRD boo xamante ne fii basket bi euh, commandant yi nekk fii si camp bi pense que tay limu fi gis ci policier euh, tax na affaire bi am dal ñepp xam seen bopp tay tay ñepp football bi dafa am basket bi lool moo loolu moo ñu fi indi won ñepp ñu waxtaan ci tay ji amna solo du gagné na euh, AS Ville Dakar gagné na Wakaam perdre na ak Guédiawaye mais di encourager ñaar équipe yoyu mooy non équipe très jeune euh ñëlé expérience la ñu pour gagner je pense que loolu moo ci amoon solo. waaw bilan bi sur le plan sportif am na solo bilan bi je pense que ñëpp gis nañ match yu am solo yi nga xamante ne lañ doon jouer euh, boo xoolee tey une équipe comme Wakam moom éliminé AS Douane euh, Duc génnee je pense AS AS Ville de Dakar taï lol Nonou, tax basket bi ñëpp xam équipe sur les garçons euh, les équipes se valent ñëpp Tolo Dole, doole ñëpp dañu wax et taï jii ku si jàpp lay gagné. maintenant li nga xamante ne moom bilan bi nga xamante ne moom la ñu travailler vraiment sur le plan recherche de moyens uti Khalis, parce que taï Ligue de Dakar dem nañ fu nekk on a on a on a am nañ expertise ci côté marketing dañuy dem seeti ji mais benn parrain lañ am boo xamante ne moo organisé final bi muy muy mairie de Dakar boo xamante ne euh, on va pas cracher là-dessus monsieur le maire bi mu ñëwee yokk na suñu subvention mais malheureusement boo xamee lenteur administrative yi tax na bi ñu joué nañ basket bi mais amuñu jotuñu subvention mais terewul dañu dañu dañu dañu takk suñu tubéy dem xoole li ñuy def benn benn mécénat bu fi ñëwoon barki démb rek ñu seeti ko muy ancien maire de Guédiawaye monsieur Aliou Sall biñ ko seeti jee mu ñëw jox ñu mais joxuñu xaalis dañ taxaw xam signé moom un partenariat boo xamante ne nii bu juddu fii ci Marius Ndiaye et je pense que loolu war na yee ñu bari ñu xam ne basket bi tey euh, sport laay wax sax buñ si jàppee dina dem loolu noonu damay profiter lancer un appel à madame la ministre euh, du du sport et de la culture et de la jeunesse boo xamante ne xam naa xarañteem si wàll boobu noonu mais surtout les autorités parce que tey benn société ñemetul bouger parce que koo dem seeti ji lal mu lay wax mooy dañu taxaw parce que circulaire génne na amatuñ droit bouger dañu tere ñu génne xaalis te loolu noonu dama damay wax ne jaaduwul peut-être que manque de compréhension moom tax mais sport euh, du sport du politique ñun dañu wara a ñu ñu éclater wu dañu wara a ñu vivre suñu passion et je pense que tay c'est un cri de cœur que je lance ah boo xamante bëgg na autorité yëpp dégg ko ñi manque ko réew mi en commençant par le président de la République parce que tay sport dafa doon lo xamantene facteur de développement la ci dëkk bi facteur tay jii wax Ligue de Dakar employé na plus de 150 personnes fii si stade bi tey jii loo xamante ne ñun ñoo génne suñu xaalis joxe ko et je pense que euh, war nañu gën a jàppale ci loolu.